thank you du studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Niger sur Kalangu. Je suis Fanta Chamsou et à mes côtés Samira Rouafi pour la présentation. À la technique, c'est Mustapha Ayouba et Adama qui à l'édition. Bonjour Samira, comment tu vas ce matin Je vais très bien, Fanta, ravie de te retrouver. J'espère que tu vas bien. Je vais bien aussi. Super, alors euh, quel est le programme du jour Ce matin, Samira, il y aura le flash euh, d'information, la page sport, une rubrique hebdomadaire justice et de la culture linguistique. Et dans la partie éco des régions, nous ferons aussi un tour à Balayara de la région de Tilaberi. Et pour la partie entretien du jour, euh, chers auditeurs, nous vous amenons avec nous dans l'univers d'un jeune autodidacte qui est aujourd'hui entrepreneur dans la sécurité privée. Il est le promoteur de l'entreprise GMM quoi Hansé. Il s'appelle Hamidou Abdoulaye. Chers auditeurs, dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie de Mokhtar Hamadou pour le flash d'information. Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour Samira, bonjour Fanta Chamsou. Bonjour Mokhtar. Le flash d'information que nous débutons avec cette note nécrologique. Cheikh Khalid Jibo, une figure éminente de l'association islamique du Niger, est décédé samedi 29 juin à Niamey. Il était membre influent de l'association islamique du Niger depuis sa création aux côtés du défunt Cheikh Alpha Omar Ismail. Après la mort de ce dernier, il s'est retiré de la vie de l'association avant de lutter contre la maladie depuis plusieurs années. Il était très respecté pour sa vaste connaissance de la science islamique ainsi que pour son intégrité exemplaire et sa pondération inégalée. Tout au long de, sa vie, Cheikh Khalid Jibo a consacré ses efforts à l'enseignement et à la diffusion des valeurs et des principes de l'islam, guidant de nombreux fidèles avec sagesse et compassion. Ils sont 40 234 sur les 100 les 900 109 660 candidats qui se sont présentés aux examens du, du brevet d'études du premier cycle BEPC à être déclaré admis au premier groupe, soit un taux de réussite de 36,69% selon les résultats globaux provisoires annoncés par le ministère en charge de l'éducation nationale le 27 juin passé. Ce taux de réussite était de 57,47% en 2023 contre 11,93% en 2006, le taux de réussite le plus faible ces 20 dernières années. Pour cette session 2024, ils sont au total 118 543 candidats, dont 56 849 filles à être inscrits. La région de Difa enregistre le taux de réussite le plus élevé, 43,39%, alors que celle de Zander a le taux le plus bas, 33,87%. Ces examens se sont déroulés dans de très bonnes conditions selon les organisateurs. Ce lundi 1er juillet, c'est la journée mondiale du bandeau blanc contre la pauvreté observée annuellement. La journée incarne un puissant symbole de la lutte contre la précarité économique. Cette initiative vise à sensibiliser le grand public et à inciter les décideurs à agir pour éradiquer la misère. Initiée par le mouvement Make Poverty History en 2005, la journée mondiale du bandeau blanc mobilise des millions de personnes autour de l'objectif de réduction de la pauvreté. Le choix du bandeau blanc emblème de cette journée symbolise la pureté et l'aspiration universelle à une justice sociale équilibrée. La journée mondiale du bandeau blanc contre la pauvreté est plus qu'une simple commémoration, elle est aussi une exhortation à agir chaque bandeau blanc porté est un rappel de la nécessité impérieuse d'éradiquer la pauvreté et de promouvoir un développement durable pour tous. Elle est aussi une plateforme qui galvanise les efforts internationaux vers un avenir plus prospère et juste. Et surtout pour le flash d'information de ce lundi 1er juillet 2024. Merci Mokhtar et une belle journée. Chers auditeurs, comme annoncé ce matin, nous allons écouter un entretien qu'a accordé Hamidou Abdoulaye à notre reporter Habibou Garba. Il est entrepreneur dans la sécurité privée et aussi promoteur euh, de l'entreprise GMM Kwaram Hansi. Mais avant de lui donner la parole, nous allons écouter la première musique de notre playlist du jour. Il s'agit de Tankim Pom Faransa de Abdou Tambaliou. karkacin ganshim ci ganshim karkacin ganshim ci ganshim rakacin ganshim ci ganshim dakin famfon faransa inda taka yau da wannan gobe da waccan sani taka ta kwaron kwasa kayi bazo kayi karin nan ka yau da wannan gobe da waccan sani taka ta kwaran kwasa ka yi kwazo ka yi karin nan uku karkacin ganshim ci ganshin rakacin ganshim ci ba bani baya ba ni gaba kaliki ba shi baya ba shi gaba da daɗi gobe ya zo I'm shiga ba ne ya bani Allah sarkin sarauta tambali kai mi ya baka fatan lemu ya bani haka ce ni ne mayan gidansu Allah sarkin sarauta selwar an biyo ku duba hakoran sun yi goma Allah sarkin sarauta ga wani sheken kallahin ta haka ce jaka ta kada da malam na ji kawa sha kataka da malam karkacin ganshim c'était tankin Pompom faransa de fait ab de Abdou Tambalio. Garbadi Tambalio est un musicien nigérien né le 13 mars 1968 à Azender. Il commence la musique étant au collège avec certains de ses amis son parcours musical commence avec le groupe Dame Roche du CCFM 2 Zender. Exactement, mais avant de commencer dans ce groupe, Abdou Tambalio faisait du commerce et c'est dans ses activités commerciales qu'il a fait la découverte du groupe musical du CCFM 2 Zender. Dans ce groupe, Tambalio a fait preuve de persévérance et a produit beaucoup de chansons. Il a brillé dans ce groupe au sein duquel il est devenu le principal chanteur Hausa. Et après une bonne période dans ce groupe, il a rejoint euh, ils ont créé plutôt le Super Aske avec euh, Sanya Boussa. Il a aussi dirigé le groupe Jagaraya Band de et compte à son actif trois albums. Mais cela fait quelques années qu'on ne l'a pas vu sur scène et cette longue absence a suscité beaucoup d'interrogations auprès des mélomanes en particulier. A-t-il abandonné la musique euh, Certains s'interrogent en tout cas. Euh, qu'est-ce qui explique le silence de l'artiste se demandent d'autres. D'autres encore pensent au pire, mais rien n'est dramatique. L'artiste est bel et bien vivant, mieux l'ancien sociétaire du groupe Super Hasky de Zender Tambelio est un musicien très engagé. Responsable du groupe Jagraya Band Tambelio est un bon, a un bon plutôt parcours musical. Voilà, chers auditeurs, donc après cette belle chanson, nous allons passer à la première partie de notre entretien. Ici, Amidou Abdoulaye, le promoteur de la société GMM Kwaram Hansé, nous parle de lui, de ses débuts dans le milieu des travail et des techniciens de surface, euh, comment il a décidé de gravir les échelons en devenant chauffeur. Pour en savoir plus, hein, écoutons cette interview qu'il a accordée à Habib Garba. Aujourd'hui, vous êtes vraiment un modèle du moment où vous n'avez pas étudié, vous parlez correctement le français, Dites-nous, ça a commencé comment euh, C'est Tout d'abord, ça avait commencé avec des petits trucs qu'on faisait dans le quartier. J'avais vendu la galette ici au niveau de l'échangeur mali avant que ça soit fait. On me payait 1050 francs par mois. J'arrangeais juste le bois pour le gars. C'était même un monsieur qui s'appelle Lawali. Après ça, on faisait des briques. On me payait 1250 par jour. Et puis voilà, ça a avancé jusqu'à ce que j'avais eu l'ambition de faire euh, un permis de conduire. Il y a une société de la place qui m'avait recruté en tant qu'agent de technicien de surface. Et j'avais commencé avec ça. Au fur et à mesure, je me suis dit, mais attends, en tant que technicien de surface, je travaille dans une très bonne société. Pourquoi ne pas faire un permis de conduire pour être chauffeur Parce que je me suis dit, chauffeur, socialement et puis élevé qu'un technicien de surface. Et j'ai fait mon premier de conduire en 2011 et par la grâce de Dieu, on m'a embauché en tant que chauffeur dans la même société. Pendant ce temps, j'étais chauffeur jusqu'en 2015 et la société a fermé. On nous a tous licenciés et entre-temps, parmi les personnels de l'entreprise, il y en a qui m'ont accepté, qui m'ont demandé tu vas devenir quoi En ce temps, je me suis juste marié il y a à peine un an. Je dis bon, je vais à Katako même s'il faut faire kaya kaya pour nourrir ma famille en attendant d'avoir un embauche. Parmi les employés de l'entreprise, il y a un qui a eu confiance en moi, qui s'appelle Karim Goza, que je respecte toujours, que je remercie parce que celui qui m'a aussi contribué dans ma vie, il a eu confiance en moi. Il m'a donné un de ses véhicules à crédit. Il m'a dit, va faire taxi avec ça. Et je fais la tôlerie, peinture, j'ai commencé commencé à faire le taxi de 2015 à 2017. J'ai eu l'idée de créer cette entreprise-là, GMM Kwara Mahansi, dont je vous ai parlé. Pourquoi Parce qu'en étant chauffeur de taxi, je vois tout le temps des personnes qui sont intéressées par euh, qui me demandent est-ce que vous connaissez un bon plombier, est-ce que vous connaissez un bon électricien. Je dis mais attends, j'ai des amis qui se connaissent bien dans ces domaines-là. Pourquoi ne pas nous réunir pour créer une entreprise qui va répondre à ces besoins-là On a eu pas mal de réunions avec les amis, mais on n'a pas eu la chance de le faire en association, de créer cette entreprise ensemble. Donc je me suis lancé, j'ai créé l'entreprise GMM Kwaramansi, Après avoir fini la procédure avec euh, des paiements, j'avais revendu la voiture parce que c'était difficile pour moi. Et euh, après ça, on m'a donné ce qu'on appelle Kamamine. Donc c'est pour un monsieur qui m'a prêté un véhicule. Je travaille, je l'hiver chaque semaine. Et c'est dans ça que j'ai créé l'entreprise JMM Kwaramansi, J'ai acheté mon premier bureau qui est toujours là, le premier table que j'avais acheté avec un ordinateur. J'ai déposé. J'ai fait presque six mois après avoir pris mon local. J'ai jamais eu de prestations, mais je persévérais. Je suis sûr que ça allait marcher. Les amis avec lesquels que j'avais appelé pour venir, pour qu'on fasse ça ensemble, au fil de ça temps-là, on dit vu que bon, six mois, on n'a jamais eu de prestations. Ils sont partis pour me laisser en pensant que c'est fini. Et juste après ça, j'ai eu ma première prestation au niveau du palais d'espoir Il y avait une foire qui était en train d'être organisée. Et là aussi, c'est quelqu'un à qui je l'apprenais à conduire dans mon véhicule. Il a dit Ah, mais c'est mon grand frère qui organise les foires. Il m'a trouvé ces contrats-là. Et c'est partant là que j'ai lancé, on a commencé à avoir des prestations. Et en 2021, nous avons rencontré l'OIM qui m'a vraiment accompagné techniquement et financièrement, qui a mis des équipes euh, de sitmen, de qui incubateurs de petites moyennes entreprises. Parce qu'en son temps, je suis entrepreneur, mais sans savoir c'est quoi l'entrepreneuriat. Je ne sais pas comment on fait les bilans, je ne sais pas comment on fait les rapports, je ne sais rien du tout. Moi, pour moi, il faut persévérer, il faut foncer. Entrepreneuriat, je ne sais même pas ce que ça veut dire, je continue seulement. Je sais que c'est une entreprise que j'ai créée de manière formelle, sans savoir même qu'à ce niveau-là, il y a des réglementations. Je pensais qu'il faut payer juste la TP en fin d'année, alors que j'étais au NIFS. Donc à ce niveau-là, j'avais suivi un redressement fiscal où j'ai payé à peu près un million et quelques. J'étais parti négocier avec les impôts pour avoir une échéancier que j'ai épongé. Après ça, j'ai compris c'est quoi l'entrepreneuriat. Partant de là, avec l'accompagnement des sites, donc on a pu bien les structurer et faire attention à toutes les déclarations fiscales, comment faire les choses de la bonne manière. Et bon, voilà. Et l'entreprise GMM, ce n'est pas seulement la sécurité qu'on fait. Omni, ce que j'avais cité si haut, l'innovation, etc. On place des agents de nettoyage, de ménage, de manière à temps plein ou à temps partiel. Par exemple, vous pouvez nous solliciter pour venir chez vous, faire un grand ménage. Donc, on mobilise des personnels qu'on va utiliser de manière temporaire. Et toutes ces personnes-là, c'est des gens qui amènent leur dossier pour chercher du travail. Après la formation, on les amène pour faire des stages. Donc, ces personnes-là, on les amène pour faire des grands ménages soit dans les CSI ou dans les commissariats de manière gratuite pour qu'ils puissent faire la pratique pour bien apprendre. Même si nous, on n'a pas du travail à les donner, ils vont aller travailler ailleurs. Donc, à ce niveau, voilà comment est-ce qu'on procède. On fait l'entretien, on place des agents de ménage, on fait aussi l'installation des groupes, le dépannage des groupes, on fait aussi le froid et la plomberie. Donc, à ce niveau, nous avons des équipes qui ne sont pas déjà même directement. C'est des personnes qualifiées qu'on a sélectionnées, on a constitué une base de données. La nuit, on a au moins 5 plombiers qui sont disponibles, H24. Nous savons en journée, on a au moins 10 plombiers qui sont disponibles. Pareil pour les autres prestations. Voilà, c'était le premier extrait de l'entretien que nous a accordé Hamidou Abdoulaye, le promoteur de la société GMM Kwaram Hansi. Avant de poursuivre, nous allons faire une autre pause en musique. Samira, tu nous proposes quoi Fanta, la prochaine sur la liste, c'est Karamota de Mamangarba. Oh. chanteur des années 70, même génération que les al Hashtaya. Dans ses titres, il rend hommage aux apprentis chauffeurs. Et oui, l'artiste faisait partie des tout premiers membres du groupe Carnaval de Maradi, l'ancienne génération bien sûr. chers auditeurs, c'était Karam Mota de Revenons à présent à la deuxième partie de l'entretien du jour. Dans la deuxième partie de notre entretien, Fanta, le jeune entrepreneur engagé nous parle de son entreprise et des difficultés qu'il rencontre dans ce métier de sécurité privée. Mais il ne s'arrête pas qu'à cela, il nous parle aussi des perspectives. Et c'est toujours au micro de Habibou Garba comment se comporte votre entreprise, vous avez combien euh, d'agents avec qui euh, vous travaillez et comment ça se passe Vraiment, ça se passe très bien aujourd'hui. C'est une fierté pour moi parce que je sais que nous avons impacté plus de 500 personnes cette entreprise. Je peux vous montrer la base des données des agents qu'on a formés qui ont eu du boulot ailleurs et qui travaillent avec nous, c'est plus de 500. Chez nous, ici à GMM, on a environ 200 personnes qui travaillent. D'autres travaillent à temps plein, d'autres travaillent à temps partiel. Vous pouvez le constater dans les différents bureaux. Quelles sont aujourd'hui les difficultés que vous, vous rencontrez euh, dans la gestion de votre entreprise Les difficultés que je rencontre dans la gestion de mon entreprise, c'est juste au niveau des passations des marchés. Je suis sûr qu'aujourd'hui, même Kwaram Hansé, c'est une société formelle, compétitive, qui a toutes les expériences qui lui permettra d'accéder à certains marchés. Au départ, le principal souci, c'est avec les impôts. Pourquoi Parce que c'est la méconnaissance. Aujourd'hui, nous avons des cabinets d'expertise comptable qui accompagnent l'entreprise. Donc, à ce niveau-là, on n'a pas de problème majeur qu'on peut vraiment énumérer. Alors, euh, parlez-nous des perspectives. Qu'est-ce que vous comptez faire aussi euh, dans l'avenir participer pour le développement justement de l'entreprise. Et les perspectives déjà je vous ai parlé un peu des innovations qu'on a apportées dans le secteur de la sécurité privée. Aujourd'hui, j'ai même allé, toujours dans le cadre de l'innovation, à installer des caméras de surveillance qui vous permettent de voir en temps réel votre maison pendant que vous êtes au service. On fait ces installations-là. Nous avons développé une application mobile qui s'appelle GMM FABA, vous permettra une fois à Niamey et que vous vous sentez en danger, vous pouvez cliquer sur l'application, sur le bouton SOS. Nous sommes sur le point de mettre une brigade d'intervention rapide qui va aller vous secourir en vous localisant à partir de votre téléphone. C'est un système qui est déjà disponible sur Play Store. Vous pouvez télécharger l'application. Nous sommes allés aussi en voyant le vol des véhicules et des motos dans la ville de Niamey, développer un système des géolocalisation qui vous permet partout dans la sous-région de localiser votre véhicule en temps réel et de l'éteindre même à partir de votre téléphone. Une fois que quelqu'un le prend sans que vous sachiez, vous avez la possibilité de l'éteindre à partir de votre téléphone. Ça, nous l'avons développé, il est là, c'est ça existe. Nous avons pas mal de partenaires sur ces plans-là avec lesquels on a déjà commencé à travailler, qui ont expérimenté et ils ont constaté la réalité. Parce qu'il y a d'autres qui disent qu'ils font la même chose, mais une fois que ça a été essayé, nous avons rencontré pas mal de gens qui nous ont dit, bon, on ne veut pas. Pourquoi Parce qu'on a vu des gens qui nous ont vendu le même type de service et ça ne marche pas. Et je les donne jusqu'à trois mois d'essai et ils ont constaté que oui, c'est du vrai, ce n'est pas du bluff, ce n'est pas la poudre aux yeux. Donc ils nous ont fait confiance. Donc à ce niveau-là, l'objectif principal, c'est d'être les leaders de la sécurité privée au Niger et en donnant toutes les innovations possibles et aussi donner des emplois décents aux jeunes Nigériens pour les dissuader d'aller en exode de manière non réfléchie. Donc notre mission, c'est ça, c'est de nous étaler partout au Niger, déjà par la grâce de Dieu aujourd'hui. J'ai même à des antennes partout au Niger. Nous avons des partenaires avec lesquels nous travaillons. Ça fait trois ans de cela qui nous a permis d'être partout au Niger, à Difa, à Agadez, partout. Donc c'est de renforcer, avoir des bureaux opérationnels dans les différentes régions pour pouvoir euh, bien continuer nos activités. Merci. Aujourd'hui, si vous avez un conseil à donner euh, à la jeunesse, euh, qu'est-ce que vous leur direz Le seul conseil que je vais donner aux jeunes, de savoir que l'entrepreneuriat n'est pas facile, mais elle n'est pas impossible. Si moi, je suis arrivé à ce niveau, alors que je ne suis jamais allé à l'école, je sait pas lire ni écrire, celui qui a eu la chance d'aller à l'école, qui sait lire et écrire, il n'a pas droit d'échouer. Donc le conseil que je vais donner, c'est de ne pas voir une entreprise qui brille en pensant que il suffit que je mets 5 millions, il suffit que je mette tel nombre de millions, je vais être comme X. Ce n'est pas le cas. C'est un parcours de combattant, c'est très difficile, mais il faut persévérer, vous allez y arriver. Ici, l'erreur que les gens font, ils pensent que dès qu'on crée une entreprise, cette entreprise va me prendre en charge tout de suite. Parce que j'ai investi, j'ai recruté des personnels qualifiés, ça va marcher, ou bien on m'a élaboré un business plan, que ce business plan-là me montre que j'aurai un indice de profitabilité de tel nombre de pourcents sur l'année. Donc, quoi qu'il en soit, ça va marcher parce que c'est un expert qui l'a élaboré. Après une étude de marché, le terrain est tout autre. Ce n'est pas ce qu'on fait sur les papiers qui est la réalité du terrain. Donc, à ces niveaux-là, tout jeune qui veut entreprendre, qu'il s'assure, il a créé son entreprise, mais qu'il aille chercher du travail encore. Travailler ailleurs pour avoir de quoi survivre et quoi vivre, manger à sa faim, mhm. répondre à ses besoins pour pouvoir bien piloter son entreprise. Mais si vous comptez dès la création que l'entreprise vous prend en charge, vous allez faire le chèque. Je me rappelle la deuxième prestation, je le faisais à perte pendant plus de quatre mois. On me payait 120 000, je payais 130 000 pour exécuter la prestation. Voilà, c'était l'entretien du jour avec l'entrepreneur Hamidou Abdoulaye, spécialiste de la sécurité privée au micro de Habib Garba. Passons à une courte pause. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Place à présent à la rubrique hebdomadaire de ce lundi 1er juillet et nous allons mettre l'accent sur l'importance du casier judiciaire. En effet, Fanta, au Niger, le bulletin numéro 3 du casier judiciaire est couramment sollicité par les justiciables, euh, alors que certaines personnes méconnaissent sa procédure d'obtention. Qu'est-ce qu'un casier judiciaire et quelle est son importance oui, Soumal Moussa Aruna, juge d'instruction au tribunal des grandes instances de DIFA, nous en dit plus. Il est au micro de Abdoulaye Maina. Qu'est-ce qu'un casier judiciaire euh, Le casier judiciaire peut être défini comme le relevé de l'ensemble des fiches de condamnation prononcées contre un individu pour des infractions commises. C'est un relevé qui permet de connaître les antécédents judiciaires d'un individu. Il est délivré sous forme de bulletin, et ces bulletins sont de trois sortes. On a d'abord le bulletin numéro 1 qui n'est délivré qu'aux autorités judiciaires dans le cadre d'une procédure judiciaire. On a aussi le bulletin numéro 2 qui est délivré aux autorités euh, administratives. On a enfin le bulletin numéro 3 qui est délivré à la personne concernée, c'est-à-dire l'intéressé. C'est d'ailleurs la forme la plus connue par les justiciables, car euh, il est le plus couramment sollicité. Donc, euh, quelle est l'utilité du casier judiciaire Le casier judiciaire est très utile, surtout dans l'étude de la personnalité d'un individu. C'est d'ailleurs pourquoi il est exigé un casier judiciaire euh, d'attendre moins de trois mois dans plusieurs domaines de la vie socio-professionnelle. C'est le cas, par exemple, lorsque on est candidat à un mandat électif ou lorsqu'on est candidat à un emploi public ou privé dans le cadre d'un concours c'est le cas aussi lorsqu'on veut soumissionner à l'adjudication des travaux ou des marchés publics ou lorsqu'on est proposé pour une distinction honorifique. Quelle est la procédure d'obtention d'un casier judiciaire La procédure d'obtention d'un casier judiciaire est toute simple. D'abord, vous formulez une demande qui peut être écrite ou verbale, une demande que vous adressez au greffe du tribunal de grande instance de votre lieu de naissance. Ensuite, vous joignez à cette demande une copie de votre extrait d'acte de naissance. Aussi, il y a deux timbres fiscaux qu'il faut prévoir. Et ces timbres fiscaux sont apposés sur le casier judiciaire. Il y a d'abord un timbre fiscal de 1000 francs CFA et un autre timbre fiscal de 150 francs CFA. Par exemple, les personnes qui ne sont pas nées au Niger, s'ils veulent obtenir leur casier judiciaire, comment doivent-elles procéder euh, La procédure est presque la même, euh, seulement la différence qu'il peut y avoir, euh, au lieu de s'adresser au tribunal de grande instance pour les nationaux, les personnes qui sont nées hors du territoire du Niger euh, doivent s'adresser au greffier de la cour d'appel de Niamey. De l'autre côté, au lieu qu'ils apposent un timbre de 1000 francs et de 150 francs, ceux qui sont nés hors du territoire nigérien doivent apposer sur leur casier judiciaire un timbre de 5000 francs et un deuxième timbre de 150 francs. Quelle est l'autorité compétente pour signer un casier judiciaire L'autorité compétente pour signer un casier judiciaire est le procureur de la République du tribunal de grande instance du lieu de naissance de la personne concernée. Et cette casier judiciaire est aussi contre-signé par le greffier en chef de la même juridiction. S'il s'agit euh, d'un extrait délivré à une personne née hors du territoire national. Cet extrait est signé par le procureur général de la Cour d'appel et il est contresigné par le greffier en chef de la même juridiction. Merci Abdoulaye Meina pour la rubrique Justice. Écoutons à présent Ma qui veut dire maman de l'artiste Dari. Worth Music. Éducation ratée, nos gosses d'aujourd'hui. Respecte bien ta madre. Conseil de Dari Oh, oh, oh, oh, oh. oh. oh. oh, oh, oh, oh. Ma, elle a tout fait pour toi. Elle portait ta grossesse durant 9 mois. Après tant mes sorties ne sont de toi. Malgré ce qu'elle endure, elle veille sur toi. Peu importe ce qui arrivera, elle s'est sacrifiée en faveur de toi. Ma t'a grandi sous son toit. Au moment qu'elle a t'accorde plus de poids

Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Au moment, ne t'inquiète pas. Même si tu sais qu'à jamais, papa ne reviendra. Et chose est claire tes enfants sont là. Et mon avatamou, donc, c'est insha Allah zaki hutawa fata na Allah baki tsawo na rayuwa sai ta arzaka ne gin ka tabo kuluha aikin dai sai sa sa traina ai sin bana pour ça j'ai décidé de chanter pour toi sakani mata kap tuk na duniya inna ke tin saruma ai sin da nikina an dunyara nikahin ai suruma zalo ka to kai ka duniyara kala lokacin ka ai mboso mboso kana ay todira Nga kahala song ka ai berima Tafe plein de cadeaux à basga Combien as-tu fait à ta maman T'as donné plein de bisous à ta gomi Mais dis-moi combien as-tu déjà donné à ta maman Inato ande mimi hitima Mito dogo bernama Kidi kika miso harayuwa Kina ndeche halaba dabazani matawa Oh oh oh alana kukitama Inato ande mimi hitima Mito dogo bernama ke da kika min saura a rayuwa ki bin da ce halaba da ba zani batawa oh oh le 7 août 1988 euh, à Niamey, l'artiste Mamandare Moussa est un jeune artiste rappeur, chanteur, compositeur qui a opté pour le rap conscient dans le style afro-hip-hop. Et eh oui, passionné de la musique euh, depuis le bas âge, en 2005, l'artiste a débuté dans un groupe euh, du quartier dénommé NGB Nagode avec un ami d'enfance répondant au nom de Alfidia Abdul dit AFPI. Et en 2008, pour des raisons d'études, Daré laisse carrément la musique et se concentre aux études. Après cinq ans d'absence en 2013, Daré revient en force dans le mouvement avec son premier single en solo titré Rap Conscient, un son qui n'a pas bien marché. Combattant et déterminé, plus que jamais, l'artiste continue à garder espoir et se bat pour atteindre son objectif, celui de devenir un grand artiste reconnu aux normes nationales et internationales. Et oui, chers auditeurs, à présent, après cette courte pause musicale, nous allons passer à la rubrique Écho des régions et aujourd'hui, c'est à Baleyara, dans la région de Tilaberi, que nous allons nous rendre, n'est-ce pas Fanta Oui, Samira, la population des Baleyara, région de Tilaberi, a vu naître des grands artistes dont Moussa Seydou dit Bambarezi. Son héritage artistique résonne toujours même 25 ans après son décès. Adamu Ide, connu sous le nom de Kimba, était joueur de tantam dans le groupe traditionnel de Tchemogo. Il nous parle de l'artiste. On l'écoute au micro de Seyd Abdouiditan. zai sai da jori isano ba enno yi inan kan ina suturu ngai faje simuru nyango kan na hayi ki zan mu ganda hare wani bambara zai din kiki jingo dinno na rufuran da mali labora jini fo zama kan babo funa kulwa cin koi mali hare nyango din banda so hon a cin ka kafu a gudun zan katara mali hare kono din kali kayai barkan gan maka biya yana sai bambara bambara zai tara ma nono ce mugo za ga dono te dinga bon kala ka ga tonan kan chumbi koyi no go mol kar ce mugo se mo go mo la kay sintine no amma gaddi kay no no ga kala sai kunti ji hamni fo korsul wa ta ge nge la ko gol la bora ko ka far kala to nan kan ce mo gangana kan buru mu ka duwa so kala to nan kan hinu duwa sinu no kan mo sai duwa so afham da ce mo go kan ba gumu igo wone bo igo wone bo kala ce mo go na non kon da ko diwar hare ko diwar hare ni adu mo la kay fo kan si gane kay kan yam kala no go na mo kar yan tuno ago kar ce mo go sa go kar kar ce mo sai kala ngo mo yega te ce mo go mo la kala il ko ta yega barge ka son kaka labora ala kason dangan da gurmi gidi kan sigane duwa so igo charbanda kali irkoite gurmi di zere igo duwa sigi hinke bugu na yore kulga te charbanda gano tinba gaji aga cinga se alwati ko gite kan tayan furi ga maga kai nufo ke mugo aye gudu zarban da fo kan sigane sayni sayin da son kunan gano go kaddan ce dan ce borai margu ga ina tin ce ce mugo bambare ce ka ini sasabandi ini sasabandi son mo kar hinka kunta wani tinta wani sayni dimo ta wani kar sayni ya irkoite aye gudu da danke danke so ganda da tin hina da no gon ngai murada ite kadi ko ko gatin go mun bare je mun kan an ga ba funo ga kan na boyi be je ni ni hay no saha woni ko ne dan kan she mogo go asigur ga idan gan ni kele mafitina din di ne aga fitina da kun ci a kelin ware ko do hare no gon agon da go gogon ware ko min suji abu ko wo yafa ir ko ri hanna mir mono sola hanno fundi kulya ke mo ingano Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Voilà, chers auditeurs, si vous venez de prendre l'émission en cours, c'est l'heure du sport et nous sommes avec euh, notre chroniqueur du jour, sérieux, Adam Yerima. Bonjour Adam. Bonjour Fanta. Bonjour Mira. Alors débutons cette page sport, euh, Adam, avec euh, un mot de karaté à Niamey. Eh bien oui, tout au long de la semaine, le palais du 29 juillet de Niamey, c'est-à-dire le palais des sports, a servi de cadre pour une formation à l'endroit des arbitres du karaté, un art martial très pratiqué dans le pays. Cette formation a regroupé plusieurs arbitres venant de huit régions du Niger, dirigés par Madame Indoum Fall, membre de la commission des arbitres de l'UFAC, c'est-à-dire l'Union des fédérations africaine de karaté. On l'écoute au micro d'Abdoulaye Serja suis venu renforcer les arbitres nigériens. Ils ont un bon niveau, mais il faut renforcer. Le renforcement, c'est le nouveau règlement, c'est les changements. C'est sortir du monde de 1990 et rentrer dans le monde de 2024, la technologie. Euh, c'est un règlement qu'on a fait pour tout, pour le monde. Et le monde fait cinq continents. Et ce qui se passe sur les cinq continents, si tu n'es pas au courant de ça, il faut aller apprendre. Donc tout change. C'est ce changement-là que je suis venu apporter. Et donc on va faire la perfection de ce changement dans les compétitions, dans l'Open de Niamey, en cadet, junior et espoir. Et ça va les permettre aussi de mieux préparer les championnats d'Afrique qui se passent à Tunis au mois de septembre. Et là, j'espère que vous allez faire une grande délégation du côté des arbitres et même pour les athlètes aussi. Parlons à présent de football dans cette page sport avec la clôture également d'une formation à l'endroit des entraîneurs locaux à licence B de la CAF. Eh bien oui, ils sont 25 entraîneurs, dont 3 femmes, détenteurs de la licence C de la CAF, qui ont été outillé pendant cinq mois sur des travaux théoriques et pratiques assortis de multiples examens pour l'obtention de la licence B de la CAF. Cette formation a été dirigée par l'expert de la CAF, l'Algérien Shafik Amer, accompagné de quelques techniciens locaux, à savoir Harun Adoula, Frédéric Acosta, pour ne citer que cela. L'importance de ce genre de formation est de permettre au football nigérien d'avoir des hommes et des femmes entraîneurs capables de former des jeunes joueurs pour le bonheur du grand public. Comme on, parle plutôt de football, Adam, alors terminons avec un mot sur la finale de la Ligue nationale du Niger. Eh bien oui, le samedi 29 juin s'est déroulée la finale de la Ligue nationale entre les deux équipes de la poule A et B à Tawar. Le Wombay AC de Maradi, dans ses couleurs traditionnelles en bleu, et l'association sportive de l'université Abdou en blanc. C'est l'équipe de Maradi qui a remporté le titre de champion au tir au but sur le score de 5 à 6. Chers auditeurs, c'est la fin de ce numéro sportif. À demain. Bye bye. Merci Adam et passe une belle journée. Chers auditeurs, à présent, place au portrait du jour. Samira, tu nous présentes qui ce matin Son nom, c'est Jafarissa, un jeune âgé de 24 ans qui a fait du commerce des noix de Douma, sa principale activité génératrice de revenus depuis 2020. Il exerce son commerce au marché des Dar es de Niamey. Jafar vend en gros et en détail les noix de Doum, un métier florissant à cette période de vacances. Notre reporter Omar Hama est parti à sa rencontre. Voici son portrait. jafar isa amanti kala koloji fattawcise no nodi dar salam habora nyamay galludon kara ago goro gudorongo miyoga lema cire non kan koloji sa kuyon go gisi a jerega boro wo wodai aga koloji bagu ganere aga nere bore kan gade ganere mose jafar yode kilometri yo na gadira kanga makoidu koloze wei anago yo wosintinga kason jiri takine anir famandi matino agoginga fatawco wote da eh goyo kan ina sintin 2020 ka kasun nuwa ina sintin ku goyo iro irgo duwa ga na fobu a sen ir koy saji irin makaka irin sabai ka bugu irga nera eh irga nera eh, gura ita dalwai eh wakil bugu mu irga ga nera ihinza dalwai zankai ir ka ga dai irro iri ga dai rise na bai burkudin kam gono kan kana se donc ay dideno kan go kane se asen yi go ya yi gogo a ga mona bo jafari sa agogo du sende yon kolozo wo ka yongo do hare halaka kaso ingande oze forei gamera amma ba da wodin agogo hinga bore kan kaga dai ga koinere murade ga sandi lojo fatawcho de sande gara da borkoi kayan odo bor hinno sin kaka kade da borkoi sagi kayan odo bor ce cicalyan dan ne ka idin ga kumna aram mi dan sakera dan gidai dinan kancina mun tu gudron wa jarguno ne gice ci tal yan imdin senum da ke nimi mani ni gudron wa bon warka gudron war mi ce ci mota kan gi zakaran senya mai din ni samuno din dirgo kanya mai wazo fore gemu igingal alhakota. sanda kirgo a gare no abdurrahman jibbo seni amanti kalbor kan kagade kolotinodin habora anir fahamandi kan goga sabu jafar se gumo matkan agoga nere inga se kolozo wodan la koloji ne kade ay ka sayno la koloje wo igondog ne wallahi nami sis dal wena agner borse epi bosudu ira lotoria wallahi debor kade agton tomborse ibobo da tonton bor si boko kofu yen bor fatta boro wallahi bor hanno e pi asbe gay zamba a be ga bay diri ya kan goga de ado la na to dibaje hinka ro aiga bay sbay zamba wallahi de wo jafar isa ina be guma dar salam habora halaka somo agoga hinginga murado ga sandinda ajere ga agondinga kaine kanga koloje bagu gaye ga nere borese C'était le portrait de Jafar un jeune revendeur de noix d'oum au marché d'Ar Salam un portrait réalisé par Omar Hamma. Un autre tour en musique, chers auditeurs, cette fois-ci on écoute DJ Master Tafa en featuring avec Barakina. Ils nous viennent avec le titre Boss. Yoga you DJ Master Taf Shida Barakina Bawa Allah Boss Boss Boss Boss Boss Baba boss, boss, Baba boss. Boss make a chopper, a supper guy say the key. Boss make a cha uban and bonza key. Boss make a cha, yeah. Boss make a cha, yeah. Boss make a boss. kana basu sunata sha, yeah. Boss make a cha, yeah. Boss make a cha, yeah. Boss make a cha. Boss make a chapa a sabaga se da kai Boss make a chaka na boss su na tasha So oga su chang uh-uh. So oga su chang uh-uh. So oga su chang ana doro ba Yesha kidi yesha me daddy Meka chaba yesha me zai Ah ah Mbasha so me tami She de se de aga masha de daddy Ah ah Wando da ribiyar Riga da ribiyar Jaka da ribiyar Ko wata cikin ta miliyon biyar Boss Baba boss Boss Baba boss Boss Baba boss Boss Baba boss Boss meka chaba Asaba ga se da kai Boss Natasha. Yeah. Boss me cha, Yeah. Boss me cha, Yeah. Boss me cha, Ba ako mi se da kai. Yeah. Boss ke uta. Yeah. Boss ke uta. Yeah. Boss ba shi kama change ya rige ya huce. Yeah. Boss ya huce. Boss ya huce. Yeah. Boss ya huce. Wasa ta tashi. C'est la Sadia, la Sadia. Boss, Baba Boss. Mohamed Dalgo Marraine. Boss, Baba Boss. Awa Rambeta. Boss, Baba Boss. La Rose et la Honey. Boss, Baba Boss. Le Parisien Babaï. Boss, Baba Boss. Ba, ba, ba, dili. Balista Sosa Balista Boss, Baba Boss Abba sheriff Federer titre Boss pour ne pas dire Boss mais de DJ Mastataf et Barakina. Chers auditeurs, on passe maintenant à la rubrique Loti d'aujourd'hui. Et oui, Samira, les femmes du studio Kalangu partagent les meilleures pratiques pour s'occuper des enfants pendant la saison des pluies. Ces conseils incluent ainsi euh, des astuces pour assurer la sécurité des enfants pendant les intempéries afin de prévenir les maladies liées à la saison des pluies. Écoutons. Bien sûr, Samira, cette discussion que tu as eu à mener avec Maria Madjam Makoy et Hawa Ousmane affairage, affairage, affairage, affairage. Salut les filles Avec cette saison de pluie qui s'installe, je me demande comment peut-on protéger nos enfants Salut Hamza Oui, je pense qu'il est important de s'assurer qu'ils sont bien habillés. Tu sais, des couches de vêtements, des bonnets et pourquoi pas des gants pour les tout petits pour qu'ils n'attrapent pas froid. Absolument Zara, je suis d'accord. Mais qu'en est-il de la maison Comment pouvons-nous la rendre plus chaleureuse et agréable pour eux Bonne question, Anna. Je pense qu'il est essentiel de garder la maison bien propre, mais aussi de vérifier régulièrement les entrées et les sorties des enfants. Tout à fait, Hamza. Et que pensez-vous de la nourriture et des boissons Avez-vous des conseils pour garder nos enfants bien nourris et hydratés pendant cette période Bien sûr, Zara. Je crois qu'il est important de leur donner des repas chauds et équilibrés, ainsi que des boissons chaudes comme de la bouillie ou les plats réchauffés afin de faire face à la fraîcheur à l'intérieur. Eh mes chéris, en parlant du réchauffement, qu'en est-il des activités extérieures Comment pouvons-nous les encourager à jouer dehors tout en restant en sécurité au champ C'est une excellente question Hamza. Je pense qu'il est crucial de choisir des activités adaptées tout en s'assurant qu'ils portent des vêtements appropriés et qu'ils rentrent à l'intérieur dès qu'il commence à pleuvoir. Tout à fait d'accord Zara. Merci les filles pour cette discussion constructive. J'ai maintenant quelques idées sur la manière de garder nos enfants en sécurité et au chaud pendant cette période de pluie. En résumé, je pense que rester vigilante et prendre des mesures préventives sont les clés pour protéger nos enfants pendant la période des pluies et de fraîcheur. Voilà qui est bien réfléchi, mes chéris. Vive l'amitié. présent passer à la culture linguistique en français et en anglais. Et cette euh, semaine, nous avons le mot coopérative. Ça sera avec Samira Oumaro. Chers auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique culture linguistique. Hello ladies and gentlemen, welcome to your show culture linguistique. Chaque 1er juillet est célébrée la journée internationale des coopératives. Every 1st July is celebrated the International Day of Cooperative. Vous l'avez deviné, le mot du jour est coopérative. Une coopérative est une personne morale regroupant des individus qui ont des besoins économiques, sociaux ou culturels communs. Coopérative en anglais est cooperative. Cooperative is an involving mutual assistance in working toward as a common goal. Un exemple. Let's all work together and be cooperative in cleaning up your classroom. That means travaillons tous ensemble et soyons coopératifs pour nettoyer notre classe. We decided to set up a cooperative. That means in French, nous avons décidé de créer une coopérative. Un dernier exemple. I get my salary from the agriculture cooperative qui signifie que je reçois mon salaire de la coopérative agricole. La création des coopératives a pour objectif la réduction de la pauvreté, l'égalité entre les gens et assurer la sécurité alimentaire et la bonne nutrition. The creation of cooperative aims to reduce poverty gender equality, and for food security and good nutrition. Ladies and gentlemen, that's all for today. Cher auditrices et auditeurs, nous voilà à la fin de notre rubrique. On se dit à la semaine prochaine. Merci Samira. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en hausa, en zarma, en tamaché ou en fulfulde, n'hésitez pas à nous laisser un message vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Et justement, il est temps pour nous d'écouter les messages envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Malam Hamisu Ayuba daga nan makaranta ta Nurul Huda a birnin Kwani. Studio kalangu insha Allah ta'ala ni ma'abucin sauraren su ne ko ina nan ga makaranta wani bi in je daji ma ina aiki da bakin karhe biyar muna neman ku radio niyya insha Allah muna sauraren su har zuwa karhe bakwai muna je shirye-shirye da suke yi da waye kai ga al'umma Ah, daga harsuna daban da na ƙasar nan muna murna da farin ciki insha Allah ta'ala muna ra'ayin wannan gidan radiyo muna fatan insha Allah ta'ala Allah ya ƙara tabbatar da su akan alkhairi kuma a dan ƙara shigowa ko ke suna ƙoƙari ko ina muna ji wajen gidan radiyo kusan hamsin ko da nawa ne ko wanda suke sawa kenan muna fatan ire-iren in so ga cikin gari mu ma bisa ga sha'anin addini a zangaya su halartuwa cikin makarantun ne ana ganin irin ayyukan da ake yi don a ƙara ƙarfafa wannan insha Allah kuma muna kyakkyawar addu'a ta alkhairi akwai kishin ƙasa gare su akwai gayin gaskiya gare su akwai da ba daban-daban da suke waɗanda suka shahu al'umma su gyara halayensu da ɗabi'unsu da addininsu da kuma su ƙara kyautata halayensu a matsayin su musulmai wannan abu yana faranta mana da rai insha Allah ta'ala Allah ya saka da alkhairi. Moi Shegu Sunushi Dalla je suis euh, un professeur de maths ici à Chirozérine. Le studio Krango est un studio que nous admirons beaucoup, surtout par rapport à leur programme. Il y a des émissions qui participent au renforcement idéologique, mais aussi la cohésion sociale que nous admirons beaucoup. Et à tout instant que nous l'écoutons, il y a aussi des informations qui passent euh, concernant les sports. Nous avions à un moment les informations sur les jeunes talents du Niger et plus précisément même sur notre localité. Donc nous allons tout simplement les encourager à continuer dans ce sens, mais aussi à un peu ouvrir leur plateforme, que cela atteigne les autres localités. Parce que nous da layir suna na mamma muna ciro. Gaskiya basu ga shirye-shiryen studio Kalangu yanda muke sauraron shi gaskiya haka komi da komi yana zawa. Ana wayan mana da kai kuma muna jin labari na dalla-dalla haka kuma abin yana mana kyau kuma yana mana daɗi. Gaskiya wanda yake bari ni kan shirye-shiryen su wanga wanda kullun da babu kamar dai wanga za a faɗi in ji da yare na haka kuma dai komi zai zawa kuma dai ka ji shi ko ko a yi shi yau a tura shi can an samu kariyar abin kuma dai kai tsaye yanzu kenan kaga mun kenan ya zo da sauki amma da abin nan sai mun yi tattare. Wani jigon na ƙarfe biyu ma Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de moi-même Fanta Chamsou et Samira Rouafi. Le plaisir était grand de partager ces moments avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour demain avec un nouveau numéro et un nouveau duo. Et eh oui, à la technique, c'était tout simplement Mustafa Ayouba et juste à côté de lui à l'édition, nous avions eu Adama Dawaki. Passez une agréable journée. Bye bye.